La population de Joal Fayoud, réunie dans la plateforme Synergie autour du changement, tient à dénoncer avec la dernière énergie la tenue d'un festival dont la promotrice n'est rien d'autre que la ministre des Mines et de la Géologie, Sophie Gladima Sibi. À l'heure où les préoccupations majeures restent la non-disponibilité de l'eau potable en quantité et en qualité, le défaut d'éclairage public, l'insécurité grandissante dans les quartiers périphériques, l'absence d'opportunités d'insertion pour les jeunes, le manque d'activités génératrices de revenus pour les femmes, la gestion des ordures avec comme conséquence la prolifération des décharges anarchiques, la population trouve en ce festival la dernière preuve du mépris de Madame Sibi envers euh, au-delà des initiatives manipulatrices et de chantage auxquelles elle a habitué la population. À ce titre, à ce titre, la population tient à alerter l'opinion nationale et internationale sur l'inutilité et la non-pertinence d'un festival à Joal Fadjout au regard des urgences que nous venons de citer en haut. Parallèlement, la population interpelle la ministre des Mines et de la Géologie d'arrêter de professer l'organisation d'un festival au bénéfice d'elle, qui à coup sûr a fini de s'étonner de l'absence de son sens des priorités et de l'absence de son sens de perception. Par ailleurs, la synergie autour du changement, qui est l'organisation qui nous réunit présentement, tient à préciser qu'au-delà de sa mission d'alerte et de défense des intérêts de la population de Joal Fadjout, reste une structure de proposition et d'action, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de ces dernières. Par conséquent, elle appelle toutes les sensibilités de la commune à rejoindre les acteurs déjà engagés dans la mission de la SAC afin que le développement soit tangible à Joal Fadjout et la misère un vieux souvenir. Il s'agit juste de parler à une autorité en la personne de Madame la ministre des Mines et de la Géologie, et de lui rappeler que quand une autorité publique perd deux sens, elle perd automatiquement la confiance du peuple. Les deux sens qu'elle a perdus, c'est le sens des priorités, pour savoir où se trouvent les préoccupations des populations et où ne se trouvent pas ces préoccupations. Le deuxième sens, c'est le sens de la perception. C'est une dame qui a l'habitude de rester à fond, au cris de cœur, aux lamentations des populations, par rapport à ces mêmes préoccupations. En remplacement, elle ne trouve aucune idée que de nous proposer l'organisation d'un festival qui n'a comme corollaire que pour satisfaire les intérêts d'autres personnes qui, sont, qui ne sont pas de la population. La stratégie, elle est claire. Comme vous l'avez vu, de par notre appel, la population a répondu présente. Donc pour les étapes à venir, il ne s'agira plus pour les populations simplement de dénoncer, mais il s'agira en fait de prendre en charge leurs propres préoccupations en faisant des propositions, en se regroupant dans une organisation telle que la SAC et ensemble nous allons prendre en charge ces préoccupations. On n'entend plus quelque chose de la ministre parce qu'elle a fini de nous montrer qu'elle est incapable de nous proposer des solutions dans ce sens. Nous allons prendre désormais en main nos propres dessins. Comme vous le savez, la mairie elle, fonctionne à l'image de l'ensemble des collectivités locales au Sénégal avec peu de moyens. Donc, en ce qui concerne les moyens dont elle dispose, elle s'organise afin qu'on ait des comités de quartier, comme vous le savez. Tout à l'heure, on, a posé le problème des décharges anarchiques. C'est parce que si la collecte des déchets est, faite, mais encore faudrait-il gérer ces déchets dans une, dans une démarche beaucoup plus, beaucoup plus soutenue.

jigéenu Joal Fadiouth ku ne xamee na leen ni ay jigéenu talaatay ndeer lañ jigéenu Joal Fadiouth ku ne xam na ne ay sit Aline Sitoé Diatta lañ parce que jigéenu Joal Fadiouth ñooy xëy nekk ci port bi di baana baana suñ nekkul ci port bi ñu ngi ci xelkom bi di defar géej bu buñ nekkul ci xelkom bi ñu ngi ci tan bi di defar keccax bu ñu wàccee àgg seen kër war a mën a toppatoo seen njaboot ak seen i borom kër ñu toog di xaar ndox ba trois heures di matin ñaari paan ya nga fay am pour sa doom mën a mën a jàngi muy lu métti muy lu ñu naqarlu muy loo xamante ni jooy nañ ko fu nekk te loolu nag dafa yàgg depuis jowaal nekk commune en 1966 ba tey jii man ba ma xamee ba tey Joal dañoo am problème mu ndox léegi nag xoolal loolu jigéenu Joal Fadiouth du ko dund te Joal kër gu baax goo dugg jigéen a ko tabax dugal ci njabootam ñu war leen a jàppale ci côté boobu parce que ñun ñooy yéen Joal benn jigéen amatu fi loos bu baax wala dënn bu baax ndax xaarum ndox mu nekk lu métti lu yàgg mbalit mi yéen a ko gisal seen bopp. Joal yëpp mbalit la tey boo demee ci district sanitaire bi boo leen laajee ban feebar moo leen gën a sonal dañ naan la biir buy daw ndaw ñi Joal à chaque fois xale seen biir yaa nga daw ndax lan man fa ma dëkk def naa fa vingt ans te aw ma ndox ndox mi may jënd gurtu cent franc laa koy jëndee vingt litres yan condition d'hygiène lañ ko duyee man xaw ko samay doom mom lañuy ñuy naan parce que awma luma neex té il faut ñu naan xolal lolu dëkk ci salté dëkk ci ñak ndox ndox boko amul do set do laab sa doom du set sa doom du laab Joal timis bu paasee ñemewoo génn sa doom ñemewut te génn koñ yëpp lëndëm waa koñ yii mën nañ ko sédé Joal dafa lëndëm kiris amul koñ bu lèr au niveau de Joal Fadiouth timis bu jotee do génn parce que insécurité bi nek au niveau de Joal Fadiouth Joal moy deuk ba nga xamante bo amé gan da ngay chaque deux jours délestage 7 heures de temps da nga koy do doo am courant xoolal lolu ak yenen ak yenen ak yenen chômage bi ci jeune yi bari na bari na trop trop trop trop Joal Fadiouth dañoo sonn Joal Fadiouth est une naine par rapport à l'électrification Joal Fadiouth est une naine par rapport à à l'hydraulique wa Joal Fadiouth dal metti na trop ci ndaw ñi ci mag ñi ci goon ñi ci jigéen léegi nag ñu am ministre de la république une autorité étatique ba nga xamante ne ñun ci moom la ñu yaakaar pour mu feral ñu sunu ay rongoñ bu ñëwee def ay jéego ci wàllum ndox ñun jigéen ñu gis suñu bopp def ay jéego ci wàllum courant ñun mère de famille ñu gis suñu bopp deful loolu lu du mu jël ay millions naan ñu kaay leen ñu fecc kaay leen ñu way kaay leen ñu noos ñun loolu dunduñu ko amuñ jot bala nga am ne ko